Bo- Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. C'est un plaisir encore une fois ce matin de vous accompagner dans cette émission Le Niger sur Kalangou de ce lundi 3 avril 2023. Au micro, c'est tout simplement Ali Moukela Ousseini, alias Seno, et avec moi, Fanta Chamsou pour la présentation. La technique d'aujourd'hui est assurée par Kader Chambiano et à l'édition, nous avons la grande dame Adama Dawaki. Bonjour Fanta, comment ça va Je vais bien, Seno, Alhamdulillah. J'espère que tu vas bien aussi. Alhamdulillah, Fanta, de mon côté, tout roule bien. Super, alors qu'avons-nous au menu ce matin Eh bien, Fanta, ce matin, comme d'habitude, il y a le flash d'information, le loti hein, du desk femme du studio Kalangu, du sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou, sans oublier la culture linguistique et la rubrique hebdomadaire Justice avec Tarnan Foudé. La rubrique Écho des régions nous conduira aujourd'hui à Gaïa pour parler des prix hein, des produits des premières nécessités sur les marchés et même chez les vendeurs ambulants. Sans oublier aussi les rubriques spéciales Ramadan dans les conseils, sur les comportements du jeûneur avec un prédicateur, des conseils diététiques et enfin la rubrique rose. Et juste avant de se dire au revoir, nous allons donner la parole à nos auditeurs, ceux qui suivent nos émissions pas à pas. Et aussi, Fanta, ce matin, nous recevons comme invité dans cette émission Édouard Lampo. Il est le directeur de la Bibliothèque nationale du Niger et il est également écrivain. Avec lui, nous parlerons de la lecture. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Nafissa Adamou Sirfo pour le flash d'information. Nafissa, bonjour. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Alors pour le flash d'aujourd'hui, hier 2 avril, c'est la date d'anniversaire de l'investiture du président Bazoum Mohamed à la, à la tête de l'État du Niger. Deux ans déjà que Mohamed Bazoum met en œuvre son programme nommé Programme de Renaissance 3, dont le credo est consolidé et avancé, avec euh, pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations et de l'émergence du pays, Bazo Mohamed a dès son investiture mis en exergue les priorités de sécurité, de l'éducation et de la bonne gouvernance. Dans un communiqué conjoint Niger-UNHCR et l'Union européenne, il ressort que le Niger et l'Union européenne ont soutenu au 31 janvier 2023 5099 réfugiés évacués de la Libye à travers le projet Fournir une protection par des solutions durables aux personnes évacuées de la Libye relevant de la compétence du HCR dans le cadre du mécanisme de transit d'urgence au Niger. C'est ce que rapporte Actu Niger. Cette initiative a consisté, entre autres, à l'organisation des vols d'évacuation de la Libye vers le Niger, la détermination du statut de réfugié et la facilitation de l'accès à la réinstallation dans un pays tierce et à des voies légales complémentaires. Enfin, le vendredi 31 mars, les 15 membres entrants du Conseil supérieur de la communication ont prêté serment au Conseil d'État de Niamey. Après la prestation de serment, les nouveaux conseillers ont procédé à l'élection des membres du bureau. Ces nouveaux membres ont un mandat de 5 ans à compter du 30 mars 2023 inclus. C'est la fin de ce flash. Merci euh, infiniment, Nefissa, pour toutes ces informations. On se prend à tout à l'heure pour euh, les grands titres. Effectivement, à tout à l'heure. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous sommes avec notre invité, c'est Edouard Lampo. Je rappelle qu'il est le directeur général de la Bibliothèque nationale du Niger et aussi écrivain. Bonjour, monsieur Édouard. Bonjour, bonjour. Bonjour Monsieur Lampo. Bonjour. Et merci d'avoir répondu euh, présent à notre invitation. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler de l'importance de la lecture. Mhm. Mhm. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord les conseils du prédicateur pour les jeûneurs, n'est-ce pas, Sénon Bien sûr. Un voyageur, un transitaire, qui n'est pas chez lui, qui a un retour donc de provision, il est exempté de C'est Celui qui est malade, moi, une maladie qui ne le permet pas. Maintenant, ceux qui sont exemptés complètement, une personne qui n'est pas pibère, n'est pas majeur, alors il est complètement exempté de jeûner. Maintenant, le fou, lui qui est malade mental, lui, il est exempté complètement donc du jeûne. Et les vieillards, ils sont exemptés totalement, mais ils peuvent, par exemple, pour ceux qui sont encore conscients, ou bien leurs parents peuvent leur enlever ce qu'il faut enlever pour les membres de famille en fin de carême, mais n'ont pas l'obligation de le faire. Donc, ceux qui sont obligés de le rembourser, ce sont les malades qui peut être guéri, qui est puber, qui est majeur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, demandez ceux qui savent, les scientifiques, les savants, tous ceux que vous ne savez pas. Si ils vous disent que ça là c'est interdit, eh bien l'islam aussi réprime ça. Si un médecin vous dit des choses là, l'islam aussi l'interdit. Il n'y a pas de capable parce que vous n'êtes pas spécialiste. À partir de l'attestation d'un médecin ou d'un scientifique quelconque, Allah a dit que l'islam va avec la décision d'un médecin. Vous pouvez faire euh, cette euh, obligation-là de nourrir ceux qui sont nécessités dans l'intention de compenser effectivement ce qu'on n'a pas pu faire pour raison de santé. La femme enceinte ou allaitante, elle se mesure. Si elle peut, elle peut prendre si elle sent qu'elle ne peut pas, le mieux c'était de donner les manger d'un mois. D'autres versions disent de faire manger 60 personnes avec l'intention que Allah, je n'ai pas pu gêner comme il le faut, comme il se doit, comme il est imposé sur moi, les gens du mois de Ramadan, en compensation. Allah, comme tu m'as ordonné de faire, j'enlève cette mesure d'aliments au profit donc des pauvres, tel que tu m'as indiqué. Et ça couvre Vraiment, c'est comme si tu as avec tout le monde. Ça lui donne la valeur qu'un jeune a fait de 30 jours. Voilà, chers auditeurs, c'était là le prédicateur Oustaz Mustafa Adamou, un hein, membre du Conseil islamique du Niger, qui nous a parlé bien évidemment des recommandations pour les personnes exemptées du jeûne pendant ce mois de Ramadan. Il était au micro de Rafika Attaher. Monsieur Lompo, nous allons revenir vers vous pour mhm. parler dès la lecture comme annoncé. Il est dit, lire n'est pas nécessaire pour le corps, seul, l'oxygène l'est, mais lire oxygène l'esprit. Ça, c'est une citation de l'écrivain québécois Dany Laferrière qui explique en parabole l'importance de la lecture. Mais dites-nous, monsieur Lompo, pourquoi doit-on lire alors, quand vous dites euh, ça, c'est comme si vous dites pourquoi doit-on manger Pourquoi doit-on boire ah. Exactement pareil. C'est exactement pareil. une autre citation. Il y a des gens qui disent que euh, la lecture est pour le corps, euh, et pour l'esprit, ce que l'exercice est pour le corps. Mhm. Donc c'est exactement pareil. Je pense peut-être que euh, ça dépend des... Les gens ne perçoivent pas forcément cela, ne perçoivent pas forcément cela de, cette façon, surtout chez nous, où la lecture semble être plutôt une affaire d'intellectuels anti mhm. ou des gens qui n'ont rien à faire, ou qui, ça insiste à la paresse. Mais la lecture est essentielle pour la vie. Essentiel, essentiel. Et, entre autres, dites-nous l'importance de la lecture. Alors, je crois que je ne sais pas comment les gens sont arrivés à la lecture. Tout celui qui arrive à la lecture, il a été certainement séduit par quelque chose de précis. Alors moi, je vous donne juste euh, ma propre expérience. Moi, je, crois que j'ai commencé, à, on lit, tout le monde lit un peu, un peu, un peu. Mm-hmm. Et je crois que quand j'ai commencé, je parle du primaire, hein, quand j'ai commencé à lire au primaire, je, crois que euh, c'est le mot qui m'a créé problème, c'est le mot coiffeur. Coiffeur <laughs> Moi, je connaissais coiffeur. Parce qu'on va se coiffer les jours de fête et tout. Et puis, on revenait de l'école, l'école Mission, hein, en passant euh, vers euh, ben, pas le grand marché qui a modernisé maintenant, mais la voie. J'ai vu sur euh, une plaque, c'est marqué coiffure. Ah, je ne comprenais pas. J'ai dit non, non, il y a une faute ici. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je me suis mis à chercher, à comprendre pourquoi c'est coiffeur ici, pourquoi c'est coiffure. Donc, c'est un peu ces petites choses-là. Je crois que si vous avez des enfants à la maison, si vos enfants ne sont pas dans cet esprit-là, ce n'est pas une bonne chose. Mm-hmm. Parce que les enfants, ils apprennent, dès qu'ils voient à la télé quelque chose apparaît, ils, sont, ils ont tendance à lire. Mm-hmm. Ça, c'est une bonne perspective. Ça, c'est que le, on va dire, la partie superficielle. Mais quand on découvre la lecture, c'est-à-dire vous tombez sur un livre, vous lisez, ça vous énerve. Moi, par exemple, je, vous donne mon expérience, c'est 6e, mm-hmm. 5e, je crois que j'ai lu trois prétendants. Euh, euh, pas trois, pas trois, non, mais Marie. Euh, Guillaume Oyonombia, « le vieux et la médaille. Voilà, la couverture bleue avec la, la tête de, de, nègre, là, je, de noir. <laughs> de noir plutôt. Oui, j'ai vu, et puis ça m'a. J'ai lu, j'ai lu jusqu'à la fin, et puis c'était dans l'esprit du, héros qui doit gagner, en fait. Donc il n'a pas gagné. Donc ça m'a énervé. Et puis je regardais la couverture, j'ai dit, mais c'est quoi ce noir-là qui écrit des choses qui font mal au noir <laughs> En fait, ça m'a choqué, en fait. J'avais rien compris du tout. Donc ça, c'était 6e, 5 C'était pas la fin heureuse mais après, quand, tu, quand vous remontez dans. Vous apprenez plus tard et vous revenez dans l'œuvre plus tard, vous vous dites, ah, voilà ce qu'il voulait dire. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ces chocs-là qu'on reçoit. Parfois c'est du plaisir, parfois c'est du choc. Mm. Je pense que c'est les... dans tout plaisir, il y a forcément euh, il, y a euh, il y a une peine qui arrive. Donc c'est un peu ça qu'on découvre. ces éléments-là. Ce qui m'amène à ma question suivante, Monsieur Lompo. Comment faire une bonne lecture Alors, déjà, euh, d'autres disent par exemple qu'il faut il faut lire utilement, d'autres disent qu'il faut il faut pas tout lire, il faut lire utilement. Moi, je pense que ça dépend des niveaux, en fait. si vous avez un enfant ou vous êtes jeune et que vous avez un de lire, je pense que toute lecture est bonne à prendre. Mm-hmm. Il faut tout lire, mm-hmm. que ce soit des journaux, que ce soit. C'est comme les enfants. Si vous vous, lisez à la maison, votre enfant, il va lire ce que vous êtes en train de lire. Il ne mm-hmm. comprend rien, mais il lit. Il sous le journal en même temps que vous, il regarde les mêmes émissions que vous. Voilà. Donc l'enfant, c'est un peu ça. Il va lire sans, sans rien comprendre jusqu'au moment où il va tomber sur quelque chose de précis. Donc je pense qu'il faut vraiment tout lire à un moment. Après, maintenant, quand vous allez arriver à un niveau supérieur, vous allez commencer à faire vos propres choix. Donc, commencez à dire aux gens, lisez ça. Pour moi, je pense que pour les jeunes âges, lisez, laissez-les lire tout. Les bandes dessinées, les, quelles que soient les revues. L'essentiel, c'est de lire. L'essentiel, c'est de lire. Mhm. Après, forcément, le, vous allez choisir votre. Le cerveau va choisir pour vous. Ouais. Ok, Monsieur Lampo, vous êtes euh, le directeur euh, général de la Bibliothèque nationale du Niger. Mhm. Selon vous, est-ce que la lecture préoccupe-t-elle les Nigériens, particulièrement euh, les jeunes alors, je veux préciser que la Bibliothèque nationale, ce n'est pas une bibliothèque comme le Centre culturel français ou, le Centre culturel du CCOG. La Bibliothèque nationale du Niger, c'est un endroit où nous devons conserver tout le patrimoine du Niger. C'est-à-dire qu'on doit cataloguer, conserver tout cela. Mmh. Donc nous sommes, on va dire, dans la perspective de lecture euh, plus utilitaire pour les mmh. recherches, pour des chercheurs qui ont envie de découvrir quelque chose sur le Niger, par mmh. exemple, ils peuvent venir à la Bibliothèque nationale. Évidemment, nous avons des périodiques, nous avons des éléments que nous mettons à disposition. Nous avons même une belle salle. Hein. Ceux qui ont envie de lire peuvent venir. Mais je précise que nous sommes vraiment en pleine installation. On n'a vraiment pas toutes les commodités, mais on a une salle de lecture euh, fonctionnel. Mhm. Donc, euh, voilà. Donc la Bibliothèque nationale, dans ce sens-là, on est plutôt dans toute la culture. Que ce soit les livres, que ce soit la sculpture, que ce soit la peinture, que ce soit... On doit être capable. Nous devons être capables d'être... Euh, de, fournir à un chercheur, en un clic, ce qu'il vient chercher. Mhm. Donc vraiment, nous sommes dans cette perspective-là, et dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour le moment, nous sommes dans une villa tout à fait modeste, ce n'est qu'un début et je pense que ça va se faire plus tard. Mais la lecture, euh, en tant que prof de lettres, parce que mhm. j'ai été prof de lettres, euh, je suis même prof de lettres mhm. encore, la lecture, c'est pas le. En tant qu'écrivain ici encore, parce que les gens, quand vous le parlez de prix du livre, c'est un problème. Bah, moi, je vous donne une, anecdote, par exemple, Ahmad Ousmane, fait à son âme. Euh, euh, il nous a raconté, parce qu'on est dans la même, on était dans une association ensemble, on est même dans la même association des écrivains. Mhm. il, dit, il a, non seulement écrit son livre, il a dédicacé le livre. Lequel de ses livres je ne sais pas lequel. Ah. Mais il a dit, il a écrit son livre, il a un de ses livres, il a, et puis il a dédicacé le livre, il a offert à un ami, un de ses amis. Et l'ami lui dit, mais écoute, euh, tu ne sais pas que j'ai deux femmes Vous comprenez le, truc C'est-à-dire, non seulement vous écrivez votre livre, vous donnez aux gens. Mais les gens, en plus, non seulement ils n'achètent pas, mais ils vous disent ouais, euh, il y a une autre femme, tu peux peut-être me donner. C'est comme si les livres euh, ne valaient pas la peine d'être achetés, quoi, en fait. <laughs> Donc le problème se pose. Le problème, c'est énorme. Les gens n'aiment pas dépenser, surtout quand vous avez un livre au-delà de, euh, de 2000 francs. Les gens euh, ils commencent à penser. moi, j'ai eu un livre à 8000. Mais quand vous dites 8000, les gens tout de suite se disent, mais ça vaut un sac de riz. Donc ils oublient le livre, ils vont aller au sac de riz. <laughs> D'accord Donc c'est un trop grand problème à ce niveau. D'accord, Monsieur Edouard. Euh, avant de continuer nos échanges, nous allons vous laisser souffler et continuer avec euh, les rubriques spéciales Ramadan, n'est-ce pas, Fanta Oui, c'est nous. Après les conseils religieux de tout à l'heure, cette fois-ci, c'est au gynécologue obstétricien Soumaïla Hamissou qui nous allons donner la parole. Il parle des risques que pourrait encourir la femme enceinte qui observe le jeûne, même si toutefois un avis médical est recommandé. Ces explications au micro de Zara Boukar. La femme enceinte elle ne mange pas pour elle seule. Elle mange pour elle et aussi pour son fœtus. Parce que c'est ce qu'elle consomme là qui alimente en même temps son fœtus. Donc vous comprendrez en fait euh, avec moi que quand cette femme va se permettre de jeûner, c'est-à-dire elle va rentrer dans des situations d'hypoglycémie, dans des situations de diminution d'apport en protéines, dans des situations de diminution d'apport à lipides, ce qui fait que en fait, ces diminutions peuvent impacter la croissance normale de son fœtus. C'est-à-dire euh, on peut avoir un enfant qui peut sortir avec un faible poids de naissance. Donc vraiment, si en fait ces femmes-là peuvent, idéalement, c'est de s'abstenir. Voilà, chers auditeurs, euh, après ces conseils, Retour au studio avec euh, notre invité du jour, Édouard Lampo, directeur de la Bibliothèque nationale du Niger. Il est aussi écrivain. Il est aussi écrivain. Alors, euh, Monsieur Édouard, dites-nous quels sont les avantages pour les jeunes qui lisent euh, ah, Pour les jeunes, je crois que toute la formation des jeunes repose sur la lecture toute votre formation. Euh, Regardez tous ceux qui arrivent à s'en sortir, quel que soit le domaine. Ah, que ce soit des littéraires ou des scientifiques. Des scientifiques. Bizarrement, même parfois, vous trouvez les scientifiques qui sont meilleurs que, que, les littéraires dans, dans, ceux qui écrivent. Vous avez, une grande majorité sont des scientifiques. Exactement. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas la base de la lecture, peut-être que vous allez réussir dans vos études, peut-être que vous allez, parce que vous savez, savez comment bouquiner, vous savez comment faire, mais à la longue, vous allez être rattrapé par la, ce qu'on appelle la culture générale. Mhm. C'est clair et net, si, vous ne lisez pas, vous n'avancerez pas beaucoup. Et vous perdrez, peut-être que vous allez être, je ne sais pas, euh, euh, peut-être, c'est même difficile d'arriver à de grands niveaux d'études si on ne lit pas. Pour un enfant, c'est essentiel. Mhm. Si l'enfant lit, je pense qu'il a, il, a gagné plein de choses. il est libéré de plein de choses, plein de problèmes. Donc la lecture est vraiment essentielle. Euh, est-ce que vous pensez que les clubs de lecture peuvent être une alternative pour pousser les gens à lire eh, Évidemment. Évidemment, c'est la, la, Comment on appelle ça On va dire c'est la pierre angulaire de tout. Vraiment, les, clubs de lecture, si les enfants peuvent lire, ça, ça peut super. Mhm. je, vais vous dire quelque chose aussi. Je sais que, en tant que directeur général, j'ai participé à un, atelier à Dakar il y a presque un an, mhm. où, au niveau de ce qu'on appelle les, les recherches éducatives, et même à ce niveau, c'est-à-dire au, niveau du didactique, les gens sont en train de se dire pourquoi est-ce que les livres, par exemple, des, jeunes ne se baseraient que sur le didactique, c'est-à-dire euh, A, B, BA, machin, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas juste la lecture plaisir c'est-à-dire, c'est comme si en classe aujourd'hui, on, aimerait des, on amenait des quacous comme nous, que nous avons connus, que vous avez certainement connus, ou d'autres lectures où les enfants vont lire juste pour le plaisir, pas par, didactisme, pas parce qu'on c'est obligé. Donc le plaisir et la lecture vont ensemble. Et quand vous avez un enfant qui est heureux, vous avez un enfant qui est forcément à la maison, qui est moins turbulent, qui trouvera du temps parce qu'il a envie de faire un certain nombre de choses. Mm-hmm. Moi, je dis, par exemple, quand vous regardez tous les films, vous êtes l'enfant qui veut dormir, un petit blanc, un petit blanc entre il <laughs> <laughs> dira, eh, moi, il faut me raconter une histoire, il faut me raconter, il faut me lire une page, des trucs comme ça. on se dit, bon, nous, on n'a pas le temps. Parce que nous, on n'a pas prévu déjà la chambre, mm-hmm. parce qu'on n'a pas les moyens déjà. Et, et ça, ça forge ça forge, ça forge. Et, l'enfant, forcément, forcément, il s'en sort. Il s'en sortira mieux et il trouvera quand même un coin à lui. Il créera son univers, il créera sa personnalité à partir de ses lectures. Alors, euh, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes, ces étudiants ou cet élève qui n'aiment pas lire euh, c'est difficile de le convaincre. C'est <laughs> difficile de le convaincre, surtout que maintenant, avec les smartphones, les gens vont faire ce qu'on appelle les résumés. Ils vont vous parler de tous les livres, mais ils n'ont lu, aucun livre. Parce que tous les livres, ils ont le résumé, ils savent comment ça se passe. Mhm. Je vous donne encore une anecdote. En tant que prof, euh, aujourd'hui, je donne des cours, par exemple, euh, dans une grande institution ici, pour ne pas le nommer, c'est l'IFTIC. Mhm. Et je, donne des cours, par exemple, en master, master les master 1, euh, c'est une 30 heures de cours euh, l'année, enfin, ça, ce qui me concerne. Et on fait ce qu'on appelle les techniques d'expression écrite et orale. Alors, où vous venez, vous faites euh, ce que l'on a fait déjà la sixième. Exposé. Ou, égal, ou, machin, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresserait, c'est, je leur dis, est-ce que vous avez lu un livre d'auteur nigérien Et à 99%, ils n'ont jamais lu un livre d'auteur nigérien. Parce que les autres, on peut lire, parce que voilà. Mais auteur nigérien, non. Donc, ce qui fait que moi, ma discipline, c'est de dire, par exemple, chaque année, je prends deux livres d'auteurs nigériens et nous allons travailler dessus. Nous faisons des exposés, nous lisons. Et la chance extrême qu'on a, c'est que les auteurs sont vivants. Mhm. On peut faire venir les auteurs. Les invités. Amadou Ousmane, moi, je l'ai fait venir euh, mhm. et on l'avons perdu quelques temps après, malheureusement. Mais à Idé, je l'ai fait venir plusieurs fois. J'ai fait mhm. venir, euh, je crois, la dernière fois, c'est Nasser. C'est le jeune écrivain, mais je l'ai fait venir. Ça permet aux jeunes de dire, ah, c'est la première fois que moi j'ai lu un auteur nigérian. Et, euh. à partir de là, d'autres continuent à acheter les livres. Parce qu'ils ont découvert, ils vont continuer à acheter. Donc, le conseil qu'on peut, on peut donner, par exemple, c'est de dire faisons l'effort. Je suis sûr que c'est difficile. Vraiment, la lecture, c'est quelque chose de très compliqué à faire parce que c'est de la peine. Est-ce qu'il faut lire, il faut s'isoler, il faut avoir le temps de C'est de la peine pour certains et du plaisir pour d'autres. C'est forcément du plaisir. on dit dans, dans chaque plaisir, euh, il, y a, de la peine. Il y a de la peine sur le dos de quelque chose. Forcément, quand vous avez du plaisir, c'est que vous avez fait l'effort d'avoir ce plaisir-là. Mhm. Je ne parle pas de... Imaginez tous les plaisirs qui vous intéressent. Vous verrez que, en tout cas, en ce qui concerne la lecture, vous êtes obligé. Vous êtes obligé de souffrir, de chercher un dictionnaire, de lire. Monsieur Lompo, moi, je ne vais pas vous laisser partir hein, sans savoir quelle est votre œuvre préférée. Ah, moi, il n'y a même pas de doute, c'est Aimé Césaire. <laughs> Césaire. Ah. moi, c'est Aimé Césaire, c'est le cahier des retours Natal. Pour moi, l'auteur sublime, essentiel, que j'ai mis du mal à comprendre, que, personne ne pourra comprendre entièrement. Pour moi, c'est Aimé Césaire. Ouais. Et pourquoi Effectivement. pourquoi Très belle question. <laughs> parce que, je ne sais pas. c'est une question de goût je vous, donne, je vous donne juste euh, le temps. Si vous, que ce soit par smartphone ou que ce soit par... Euh, vous lisez le cahier des retours au pays natal. Le cahier des retours au pays natal, vous cherchez l'œuvre, vous allez lire, peut-être que vous n'avez pas compris grand-chose. Mais vous allez sentir que la langue est tellement belle, tellement supérieure à ce que vous, vous savez que parfois vous êtes obligé de revenir. Moi, je suis en train de le lire, je l'ai enseigné, hein. mais je le lis, je le relis si vous voulez, même parler le smartphones, pour les gens qui veulent les smartphones, il y a un mhm. film qui a été fait sur le cahier des retours au pays natal, par un auteur euh, martial euh, qu'on a connu dans les séries euh, L'île d'Esco. Je crois que Martial est un grand. Alors, entier. Allez chercher cela. ils ont fait un magnifique film sur ça. Allez juste écouter, même si vous comprenez rien, écoutez juste le son. Normal, Aimé Césaire est l'un des plus grands auteurs de son temps, c'est sûr. Merci beaucoup, Monsieur Lompo, de nous avoir accordé votre temps et d'avoir accepté de venir échanger avec nous, avec nous sur l'importance de la lecture. Sinon, on fait une pause et on se retrouve juste après. Bien sûr. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire et comme nous sommes lundi, nous parlerons de justice avec Tarnan. Bonjour Tarnan. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Tarnan. La rubrique euh, justice de ce lundi va porter sur la détention arbitraire. Alors Tarnan, une détention arbitraire, qu'est-ce que c'est oui, euh, Fanta, ce mot n'est pas étranger. On entend parler au quotidien de la détention dans les judiciaire. judiciaires. Il s'agit d'une privation des libertés euh, à laquelle on a ajouté arbitraire. Alors Tarnan, tout comme nos auditeurs, nous aussi hein, voulons en savoir plus sur euh, la détention arbitraire. Euh, bon, sinon, moi aussi, j'ai posé cette question à notre euh, juriste Abdelrazak Amhazou, doctorant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Je vous propose de l'écouter. La détention arbitraire est une violation du droit à la liberté. Elle désigne l'arrestation et la privation de liberté d'une personne dans le non-respect du droit national ou des standards internationaux. Comment peut-on qualifier d'une détention d'arbitraire Privation de liberté peut être qualifiée d'arbitraire, notamment si le motif de l'arrestation est illégal, si la victime n'a pas été informée des raisons de son arrestation ou si la victime n'a pas été présentée à un juge dans un délai raisonnable. Précédemment, vous avez évoqué la liberté. Qu'est-ce qui garantit la liberté d'une personne le droit à la liberté de la personne est garanti par des instruments juridiques nationaux et internationaux. Au plan national, on a la Constitution et autres textes subséquents qui interdisent toute privation de liberté en dehors du cadre légal. Au plan international, vous avez le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, au demeurant, a listé les conditions dans lesquelles une privation de liberté peut être qualifiée il est important de rappeler que dans certains cas, la détention arbitraire peut être considérée comme un crime de guerre au sens de l'article 8 du statut de Rome ou un crime contre l'humanité au sens de l'article 9 du statut de Rome. Quelles sont les sanctions qui seront infligées à un responsable de détention arbitraire le code pénal nigérien a prévu des sanctions à l'encontre euh, de tout agent qui se trouve être responsable de détention arbitraire. L'article 108 du code pénal dispose que tout fonctionnaire, agent ou préposé de l'administration qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit au droit civique d'un ou plusieurs citoyens sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans pourra être privé de tout ou partie de ses droits civiques. L'article 110 s'intéresse au registre de prison. Il dispose que les registres de prison qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement seront poursuivis pour des faits de détention arbitraire et punis de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 10 000 à 150 000 ou de l'une de peine seulement. De la sorte, au sens de cet article 110 du Code pénal, il est interdit au régisseur de prison de recevoir un prisonnier sans titre de détention régulier, à l'espèce un mandat ou un jugement. Quant à l'article 112 euh, du Code pénal, il s'intéresse aux procureurs généraux et au procureur de la République, aux substituts, aux juges et aux officiers de police judiciaire qui auront retenu ou qui auront fait retenir sans titre régulier de détention un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou l'administration publique. Les sanctions sont un emprisonnement de 1 à 5 ans. Intéressante cette intervention du juriste Abdulrazak Mahazou. Tarnan, apparemment, il y a deux choses à retenir de cet entretien sur la perquisition. En effet, notre euh, interlocuteur a évoqué plusieurs choses euh, intéressantes relativement à la détention arbitraire. C'est en ce sens qu'il nous a appris qu'un fonctionnaire, agent ou préposé de l'administration publique ne peut détenir arbitrairement une personne. Par ces personnes citées, tout celui qui se trouverait responsable de la détention arbitraire, il sera selon les dispositions de l'article 108 du Code pénal euh, nigérien poursuivi. Aussi, il est interdit euh, aux régisseurs des prisons de recevoir un prisonnier sans titre de détention régulier, à l'espèce un mandat ou un jugement. Merci beaucoup, Tarnan, de nous avoir édifié sur cette question. C'est nous, à présent, il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Et eh oui, Fanta, amis auditeurs et auditrices, si vous venez hein, de nous prendre en cours, vous écoutez l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est l'heure de la rubrique rose jusqu'au bout des ongles. Bien évidemment. Et aujourd'hui, dans cette rubrique, nos chroniqueuses vont vous présenter une astuce pour faire des pâtes de maïs ou des milles bien lisses pour accompagner vos sauces. Et aussi l'impact des douches chaudes et froides sur notre organisme une bonne douche en cette période est intéressante, n'est-ce pas Fanta Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Avec moi, Ruki, dans l'espace santé et bien-être, nous découvrirons l'importance d'une douche pour le bien-être. Dans l'espace beauté avec moi, Fanta, on combat l'acné en deux temps, trois mouvements. Enfin, en cuisine avec moi, Bibi, on verra comment rendre les pâtes de maïs et de mil plus intéressantes en bouche. Bonsoir mes chéris, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité à la rubrique rose. Dans cet espace santé et bien-être, je vais vous parler de comment prendre une douche agit sur votre bien-être. Nous savons tous que ça fait du bien de se doucher, mais à quel point Prendre une douche chaude. Elle a un effet relaxant. L'effet détente immédiatement ressenti va vous permettre de relâcher toute les tensions musculaires. La chaleur de l'eau a une action sur la peau en dilatant les pores de cette dernière, ce qui a pour effet d'en favoriser le nettoyage. Ainsi, les toxines qui pourraient la ternir et l'engorger sont éliminées. Alors, la douche chaude, quel risque Une température trop élevée lors d'une douche peut entraîner quelques désagréments tels que le dessèchement de la peau qui peut alors se mettre à tirer. Sensation très désagréable conduisant au relâchement des fibres élastiques, régénérant alors plus facilement l'apparition des rides. Attention mes la douche chaude peut être déconseillée chez les personnes souffrant de graves problèmes circulatoires. Maintenant, la douche froide. La science a prouvé que les bénéfices d'une douche froide agissent sur l'humeur. Quelques minutes sous l'eau froide suffisent à créer dans le cerveau un afflux Électrique agissant contre l'effet dépressif. Des endorphines sont sécrétées et l'effet anti-stress de ces hormones procure une sensation de bien-être. Les soirs de canicule, une douche froide prise avant d'aller se coucher aide le corps à baisser sa température et favoriser donc naturellement le sommeil. Attention, Attention mes chéris, les douches trop froides sont à bannir car peuvent causer un choc thermique et d'autres conséquences graves. Rocky, ce que je sais parce que je l'ai déjà testé, c'est que l'eau froide sur le visage aide à resserrer les pores et ça fait un bien fou au visage. Après, tu as un visage euh, beaucoup plus frais, plus détendu. ça, ça, je, le conseille. Alors, on passe à l'astuce beauté. Comme promis, les filles, aujourd'hui, je vous livre quelques astuces naturelles pour se débarrasser des boutons d'acné. Mais j'insiste, si ça persiste, il faudrait bien consulter un médecin. Astuce numéro 1. Le vinaigre blanc. Prenez votre coton-tige et imbibez-le de vinaigre blanc. Ensuite, il faut tapoter la partie imbibée sur l'acné et on répète le geste au moins trois fois par jour jusqu'à ce que le bouton s'assèche. Astuce numéro 2, la tomate fraîche. Elle, c'est une excellente alliée contre l'acné imprévu. Avec tout ce qu'elle contient comme minéraux et vitamines, notamment CEA, ces légumes a des propriétés anti-infectieuses, nettoyantes et cicatrisantes sur la peau. Le sel marin, c'est le sel de table qu'on utilise dans nos cuisines, en fait, il a de nombreuses propriétés pour la peau. D'abord, grâce à sa texture granuleuse, le sel est un ingrédient idéal à mélanger avec vos produits de beauté quotidien pour exfolier en douceur la peau. Pour l'utiliser, il est conseillé de mélanger le sel marin avec un peu d'eau, ce qui fournira une pâte. Ensuite, il faut l'appliquer sur le visage et frotter doucement. Pour finir, on rince abondamment avec de l'eau. L'astuce suivante, les glaçons. Il faut bien nettoyer la zone du bouton, la faire sécher à l'aide d'une serviette propre, il est recommandé d'appliquer ensuite le glaçon pendant quelques secondes et répéter aussi ces gestes 3 à 4 fois par jour jusqu'à ce que le bouton soit complètement guéri. Merci Fanta, merci euh, pour tes astuces anti-bouton. On passe à la cuisine à présent. Dans ce numéro, nous allons découvrir des astuces que j'ai découvertes grâce à une amie malienne. Quelques astuces pour mettre en valeur les pâtes de maïs et de mil. Première astuce, avoir une pâte bien lisse au café sans le procédé de filtrage traditionnel. En effet, juste en tamisant la farine avec le tamis en tissu, on peut obtenir une poudre plus fine à laquelle on ajoute de l'eau pour obtenir la consistance de la pâte qu'on veut bien lisse. Voilà. Et euh, je vous conseille aussi d'améliorer le goût et la texture de vos pâtes de maïs et de mil en ajoutant un peu d'huile lors de la préparation. Le goût est nettement meilleur. Un peu de farine de blé lors du mélange de la farine rendra vos pâtes beaucoup plus digestes. Enfin, pour les plats bien colorés, vous pouvez ajouter un peu d'huile de palme ou de la poudre de curcuma pour une pâte euh, un peu jaunâtre. Euh, ça, peut, ça peut changer de la couleur blanche. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus de bons plans sur la rubrique rose. Excellent début de semaine. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique rose tout en espérant que vous avez aimé. Sinon, c'est l'heure de faire le tour, un tour au marché. Oui, Fanta, hein, pour le reportage régional, nous faisons le tour des quelques marchés de Gaïa pour en savoir plus sur les prix hein, des produits des premières nécessités. Et pour cela, c'est nous, notre correspondante Ramot Issa qui a interrogé les commerçants et les acheteurs, et pas qu'au marché, même dans les rues de cette ville. On l'écoute. Nous sommes dans le marché de Gaïa, un marché qui s'anime chaque mardi, mais qui dans le mois de carême est presque rempli chaque matin. Et comme chaque année, les prix des produits de première nécessité ont considérablement augmenté, chose que déplorent les clients. eh dankalin turawa shi an gwada mashi kuɗi na ceto na wasa kai hata da aubergine ma da wanga poivron duk kaya kayan legin ma gaba ɗaya sun yi tsada que na shiga kasuwa lallai rai ya ɓaci mere ya ɓace maimakon a ce musulmi ya taimaki dan uwan shi musulmi ya rage to sai ya zamanto da ƙari ne. Les commerçants quant à eux nous explique pourquoi cette charité pendant le mois de Ramadan. Wannan lamarin ke gane ko ba da gare mu bane saboda da inda suke yo transport din nan nasu su zo da shi nan namu ke ga daga can ne kayan nan suke dan ƙara kuɗi me in sun zo nan su kuma waɗanda za su kawo din nan wannan lokacin tunani ne za su yi ce na abu da sun ka ɗaukan nan sun ka kanan na su ma dole sai sun samu abu da sun ka nemi riba kan shi nan mu kan kanmu dole ne za mu tunanin ya kamata a ce mun samu ma mun samu wani abu tunda ke san yanayin sana'a yana da kyau a ce duk yadda za ka yi kokari sai da ko kuma sai da sai su kai ma ka dan samu wani abu da ka abu na. fai gina yanda ke gida kyan da danga albasan yan tomato fresh da tonka ta yayi kula gi nera to wallahi mi hawrawo neran do alhamdulillah bisa dai lokacin kan manta mi hawra zan borai kulgu me farmaici ci kan me farmaici ba bora sin dano bora dai ga me feri ikaga dai mu alhamdulillah to gine caden wo zanan go kan ifun dai no ikaden gai cada sai no iwo cadir mu do ha koyin bar kulgu bai kan haran da gonai kayin fogo ne bisigire din kan bisa Gaya, une ville située entre deux frontières, à savoir le Bénin et le Nigeria, est surtout connue pour les divers commerces qu'elle regorge. Dans le quartier, on y rencontre beaucoup de femmes, jeunes filles et garçons qui font du porte-à-porte -porte pour vendre leurs produits. gogo labdur ne gonera donu ganda gumba inde kenan nga mo gonera tri top hay me gonera labdurun da dono nda wa me kul kan kano te inde kenan e ga te kara kisse ma gonera wallahi han fo yebi saba zangu taki ke keno mo kan tri top no han fo ko to zangu hin kayan wala am bisa zangu hin ne rando ko inde ka ka fun lakol ne ko ne rando te za kan ga dindo nuwo alula ko koy benani gate hay mo bindala kolizane ko wucir kambu e gonere manguru ida e ke iza sai izo mu ga talla a nera mu ya e nera lemu ya e nera guna to wallahi neran dowo mai haura a kani ga bisa ramanti me haura zaman di son hun e masan be ma da ke bon rema nera ya ize mu masami matalle se dr fan par contre fond le commerce des jus et de glace. Un commerce très rentable en ce moment de chaleur. Hassana, l'une des commerçantes, nous explique. Ina fait da glace, ina sai da ruwan zaƙi da muke ce ma lemhari, ina yi na zoɓo, ina yi na tsamiya, ina yi na kuka, ina yi kuma na hatsi yanzu lokacin da muke na zahi ana yawan doke wuta wutar da dare ka kulla a ruwan sanyi ka sanya ka ce dan ya glass kahin da sahi ka samu glass ta kwari tun da yawancin mutane sun yi son glass ta yi kwari in kai doke wutan nan sai ki gani ko ta koma ruwa ko kuma san san san ma ba ta koyon glass Quoi qu'il en soit, le mois de carême est une bénédiction pour toute personne désirant de se lancer dans le commerce ici à Gaïa. Voilà, c'était le reportage de Ramatou Isaka Wanke, qui d'ailleurs est en ligne avec nous. Bonjour Ramatou. Bonjour. Ramatou, yane kina lafiya? La lau, alhamdulillah. Ya gaya? Alhamdulillah gaya ga ta ya wajen ku ya aikin. alhamdulillah. Yanzu muka yi da sauraron rahoton nan naki akan kasuwanni da kuma farashin kayayyaki a garin Gaya. Mhm. Tambaya ta ita ce wa'anne kaya ne suka fi tsada? kamar kayan lambu ne legume ko kuma su cereal su shinkafa da sauransu eh to yanzu dai kayan cereal kamar abin da ya shafi shinkafa suna nan a yanda suke watakila in an ɗauka abin da ya fi tsada yanzu shine sukari mhm. da idan an ka ɗauka wajen kayan lambu su ma yanzu gaskiya sun yi tsada don kafin azumi ya kai kayayyakin a nan ga suna da arha sosai musamman kamar albasa tomati fanka kaɗanya wannan banza kaɗai ne ba a ba mutum amma gaskiya yanzu sun yi tsada. Haka ne a kowane watan azumi ko kuma dama suna hawa suna sabka? Eh a dama suna hawa suna sabka amma a lokacin azumi abun ya yi tsanani. Mm-hmm. dama kamar su lokaci ne gare su lokacin akwai lokacin da in ya kai kamar war haka in ba cikin azumi bane to suna da arha. To mm-hmm. amma daman lokacin azumi dole ne wani lokaci kaya suke tsada gaskiya babu sauki a cikin su. To ya al'umma ke rayuwa da wannan tsadar? To haka dai suke rayuwa da shi haka suke kokarin kowane dai abin da ke gare shi dai da shi ne yake kokari ya ga abin da zai iya siya ya yi amfani da shi mhm. Allah ya mm. kyauta mun gode sosai Ramatu merci Ramatu merci infiniment ok à tout à l'heure merci et nous faisons un big up à tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis Gaïa Dosso on fait une pause et on se retrouve juste après n'est-ce pas c'est nous sans souci Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, place au sport à présent avec notre chroniqueur du jour, Sariou Adam Yerima. Bonjour Sariou. Bonjour Fanta. Alors, euh, Adam, nous ouvrons cette page avec du taekwondo, n'est-ce pas Oui, Fanta, nous allons parler de notre champion Abdrazak Alfaga qui a décroché hier une médaille de bronze à l'Open d'Autriche. Fanta, Abdrazak Alfaga semble se réjouir de cette médaille de bronze puisqu'il a même écrit un message sur sa page Facebook, je cite, Le travail continue, merci pour vos soutiens. Alors, où euh, tu peux parler à nos auditeurs le palmarès d'Abdulrazak Alfaga Bien sûr, c'est nos Sachez qu'Abrazak Alfaga a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de, Rio de Janeiro en 2016 dans la catégorie de plus de 80 kg. La deuxième médaille olympique du Niger après le bronze obtenu par le boxeur Issa Kadabore aux Jeux Olympiques en 1972. Abrazak Alfaga est aussi sacré champion du monde de plus de 87 kg en 2017. Il est médaillé de bronze de plus de 87 kg au championnat d'Afrique de taekwondo en 2018. Il est aussi médaillé d'or aux, Jeux africains en 2019. Champion d'Afrique de taekwondo en 2021, il a aussi remporté plusieurs médailles au cours de tournois de mise en jambe. Cependant, sachez qu'Ablazak Alfaga est très attendu par le public nigérien aux prochains Jeux olympiques de Paris prévus le 26, du 26 au 11 août 2024. C'est tout pour le taekwondo d'aujourd'hui. Adam, parlons à présent du foot à l'international. Oui, nous allons bien évidemment parler de cette information qui a enflammé la toile hier avec le départ de Grand Potter sur le banc de Chelsea, qui a enchaîné des mauvais résultats en championnat. Cependant, la Premier League a établi un nouveau record avec 13 managers du limogés cette saison. Leicester City a limogé Brandon Rogers hier et puis ça n'est suivi euh, le, ça suivi le limogeage de Grand Potter, le départ d'Antonio Conte contre les Spurs, la euh, contre euh, le départ d'Antonio Conte de Tottenham la semaine passée a aussi établi un record de manager limogé sur une saison en Première Ligue. Alors Adam, l'équipe de France féminine connaît son nouvel entraîneur. Oui, Hervé Renard a été nommé jeudi sélectionneur de l'équipe de France féminine jusqu'en août 2024, un poste qui était vacant depuis le limogeage de Karine le 9 mars dernier, a annoncé la Fédération française de football. Hervé Renard, âgé de 54 ans, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à la tête de la Zambie en 2012 et de la Côte d'Ivoire en 2015, mais qui n'a jusque-là jamais dirigé une équipe féminine il aura comme mission de faire briller les bleuettes lors de la prochaine Coupe du Monde organisée du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle Nouvelle-Zélande, puis aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est la fin de cette euh, chronique sportive. Plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci infiniment, Adam, pour euh, toutes ces informations sportives. Après cette page, euh, page euh, sportive, passons au portrait du jour, n'est-ce pas Fanta Bien sûr, c'est nous. Ce matin, c'est Rekia Arimi qui est allée à la rencontre de Madame Isso Safi Sidikou. Elle est âgée de 50 ans et elle supervise les équipes qui balayent les rues dans certaines grandes artères de la capitale. girwai ta kikin da zai madam isau safi sidiku man bai gake don lakwalara hunkuna in ga ti borai kan ga hagwai da nyamai mai fonda ya na yanwo wani kunda gin bora gwai kan asintin za a nasar girzan barhinka da waikin da iya kamfani fora kan sai igne balarabe a sini sema. an irno famai haikayen na zuga ga gwai wani wote za a tinno ga kwai alzuma <laughs> yan kama to baki yan ne zuga dai talka ya ka dai suru o me talka tara al borgo tungu furara di han kan no irko gin nara ina sintin da dai kan ya kin so koi ga ce shi ya har koi ya har ko mine do ir mandu gano ir ne u bandano ir birago abinda za a yi ko irkon ter se doga nai ina sambu ina irmu ke ki yan irkan da boriya handi hani zaru fo kara kai ko ina se mu ke ki boriya ikon da boriya ina yi kan da bora waran kakin di iddu handi hani kwan da bor waran zikin di fo ina to ma da za kai kan da wadi nga gir sambu ngai gai sambu chef de kipi yakini abinda wallahi zai kwan da ina sambu ina na ku bandi ni bai songo kan ga ina margudi kan jama'a ba ku ni faino e kipi hinza bor waran ko waran ka no ina fai o son wato dinai mongor kala habu ganda hari so ifunno dini ai ka ne o so rompo poisi zem no ai ngi sambu ya ce bor kul gongu fonda ra bor ku ko kar no ni fonda ma hanan bo ko ba im dini fonda ra zibi da bor goi za hando bu igini bana ba kan se igo ginga hina kulte wai borai wo kan go goi wane wote igo ga di sandai gumo inganda popor fun kwai da moto fun kwai fonda ra mota yo kai ngai dai gati sandai dalle da ki so bai ga ke tu fonda ra wodi yan wo irgo di sandai gumo so wodi irgo fonda ra mota ga nuku borai ga poporai ga kar borai ga o moto kwai ni bai han fendi borai go bi su bore sambu haifo afo ke keke kar bore ga ba bi fo fo ana ay ekipi fo ngo ana ngo poporno ana kar chawo ga new ir patron ay kanir sambu agir ganno cedi ke kalir ko lotor kware marage te ma ha kutte ndai no charbanda o zamir kan chef de kipe ya kinir ganu irg bora gana ga koy dir koy irgi shir patron ngai si ta ci bonno ig zuruka di ka ndai no char mu koy bora banda kadde bora dir koy te bora man mare di safarri ne safare dai imirta ir mandu barkan karkala hayo ya kina ma bora cha ga mare wala kan bai wonno ngu foyang ga mare kadde ko lotor kwar kuli gudu doga ne sadin da ni safari ir igitta nuruddin isaka director kanga da ke balarabe assainissement directeur technique ga na inga binika na kebe kokaro kan madam isau safi sidiku goga tebon on safi borno dai kan sintir irbande 2017 wai kulmo gondin ga din ga bani go da mai gida go ji mata kan go go te da din ka societe ra da bor gon kan gin gin go te ni sko ke ci non fo deja bora a gonda go bon bere ngati in ta vraiment boro dirna te superviseur aga kan dirse gomni bobo irgora ngati kan inna te superviseur borno kan idi aga ka wat kulu amin go te mataka himanda ke fo nigi di badai goy manta goy eraranu dago ga bisa funda bun a kan zibi gono kan ga himga za kan ga hinga kan da gose masala wadan kula si babu rai ha gati wai bono da vraiment ayir wo inda inda gork sinara ayir mu macha dori jusque la go kagin gin gote mata ka himanda madam isau safi siddiku ki yanwoga gwaisin da su baniyan borkul himano amagwai gadu haikan ginga muradaice Merci Rakia Arimi pour euh, ce portrait très inspirant. Fanta, c'est le moment pour nous de découvrir euh, la recette culinaire du jour. Oui, c'est nous aujourd'hui dans la rubrique recette culinaire. Madame Goumour Amina Abdou, promotrice du service traiteur Isikida, nous propose une recette de bouillon fait maison, un bouillon pratique pour assaisonner nos plats. Il est préparé à base de légumes, de viande de bœuf ou de poulet et aussi des épices. On va parler du cube d'assaisonnement fait maison pour éviter tout ce qui est industriel. Alors, il y a plusieurs manières de faire des cubes d'assaisonnement. Je vais vous proposer une maintenant. On utilise de la viande, la viande de votre choix. Ça peut être du poulet ou du poisson aussi. Mais de préférence, il faut que si c'est de la viande, il faut que ce soit de la viande avec des os. Ce sont les os qui donnent le goût. Les légumes de saison que vous allez trouver. Un exemple poireaux, carottes, courgettes, ail, ciboulette, persil, céleri, poivron, piment frais. Il faut du sel, donc beaucoup de sel. Ici, on a 500 g de viande, on va mettre 250 g de sel. Et les épices de votre choix. Cumin, poivre, anis, curcuma si vous voulez une couleur. Et un peu d'huile d'olive. On commence d'abord par faire chauffer l'huile et on fait griller la viande. Il faut que la viande prenne une belle couleur jusqu'à ce qu'elle commence même à attacher au fond de la marmite. Une fois que vous avez obtenu la belle couleur, vous rajoutez de l'eau vous mettez tous vos légumes ainsi que le sel et vous laissez cuire pendant 30 à 40 minutes jusqu'à ce que les légumes soient bien cuits. On va ensuite rajouter les épices en poudre et une fois que c'est hors du feu, on laisse tiédir, on retire la viande et on mixe tous les légumes. Cette purée qu'on a obtenue, on va la remettre au feu pour la faire sécher à feu très doux. Vous pouvez aussi l'étaler au soleil, mais c'est un peu plus long. Une fois que c'est sec, vous pouvez la réduire en poudre ou alors découper en morceaux et utiliser ces cubes comme les cubes d'assaisonnement industriel. Voilà, chers auditeurs, j'espère que vous avez pris note. Fanta, on range les marmites pour revenir au studio et découvrir le loti du jour avec les femmes du studio Kalangu, n'est-ce pas Tout à fait, Seno. Ce matin, elle parle d'éducation sexuelle, un sujet encore tabou dans certaines familles. Comment discuter avec sa fille des premières menstrues Oui, les menstruations ou règles désignent l'écoulement périodique de sang chez les femmes et les adolescentes. Et selon des adolescentes que l'équipe a rencontrées, les premières règles sont souvent source d'inquiétude chez elles. Il est donc important que les mamans sensibilisent leurs filles à mieux comprendre cette situation. Affairage, affairage, affairage, affairage. Oui, maman. Qu'est-ce que tu as Tu es pâle et je te trouve préoccupée. Hmm. Moi Non. Je. Je suis juste fatiguée. Je ne te crois pas. Tu oublies que je suis celle qui t'a donné la vie. Je te connais donc suffisamment. Qu'est-ce qu'il y a Maman. Parle, ma petite Sajo. Ne te ferme pas. Tu peux te confier à ta maman. Je ne sais comment t'expliquer. Ce matin, j'ai découvert une tache de une tache de sang sous, sous, je crains de m'être blessé je ne sais pas comment. <laughs> je vois ma fille, ce sont tes premières règles. C'est un état physiologique naturel. Tu viens d'entamer une phase de ton adolescence. Et ça, pour une fille, c'est souvent difficile à vivre. C'est pour cela que les mamans doivent créer le dialogue entre elles et leurs filles afin de mieux les suivre et les encadrer. Les règles Qu'est-ce que c'est Bon, viens, écoute-moi. Écoute-moi attentivement. La menstruation ou règle désigne un écoulement sanguin périodique évacué par le sexe de la femme. Cet écoulement peut généralement durer de 3 à 7 jours, selon les femmes. Cela signifie que tu es tout simplement en âge de procréer c'est-à-dire avoir des enfants, donc mes petits-enfants. Donc tu peux tomber enceinte si tu as des rapports sexuels. Ma fille, c'est un moment délicat à vivre. Hein. Pour que tu te sentes bien dans ta peau durant cette période, il est important pour toi de choisir ta protection périodique. Eh Dieu, protection périodique. Il y a beaucoup trop de termes que je ne comprends pas. Hein? Mon cerveau va exploser. Attends, s'il te plaît, Sajo, je vais tout t'expliquer. C'est mon rôle après tout, ou bien Oui. La protection périodique, ce sont les différentes protections hygiéniques. Les serviettes hygiéniques sont les moyens les plus utilisés, mais pas forcément les plus agréables. Les protèges slip permettent d'assurer la protection des flux très légers des débuts et de fin de cycle. Les tampons hygiéniques sont très pratiques, surtout pour les filles qui font du sport. Il y a aussi nos serviettes hygiéniques traditionnelles qui se font avec des morceaux de pagne. L'avantage ici, c'est que ça ne coûte rien. Il faut cependant choisir des pagnes propres pour en faire. Ah oui, je vis souvent ma soeur Aïcha en faire. C'est donc ça. Mais maman, j'ai mal au bas-ventre. Oui, ma chérie, ça aussi c'est normal. La prise de certains produits contre les douleurs ou même la pose d'une serviette chaude sur la partie peut aider à soulager l'inconfort. Par contre, si la douleur te cloue au lit ou t'empêche d'aller à l'école, nous devons aller en discuter avec un médecin. Super maman, tu es la meilleure. J'ai tellement eu peur, mais tu viens de dissiper toutes mes craintes et répondre à toutes les questions que je me posais. Excuse-moi ma fille, J'aurais dû en parler avec toi plus tôt, car il est nécessaire d'aborder le sujet des règles avant que votre fille ne soit confrontée à ses premières. Elle sera ainsi préparée et rassurée quant aux nouvelles habitudes qu'elle va devoir adopter. Je suis devenue une grande fille maintenant. Je vais devoir changer de démarche, hein, maman. Hey, hey, attention. Hein. Voilà, chers auditeurs, c'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Retrouvons cette fois-ci Jackie Dalton, responsable éditoriale de la Fondation Hirondelle depuis Lausanne en Suisse. Avec elle, nous allons découvrir ce que signifie le mot radio en anglais et en français. On l'écoute. Hello and welcome. Bonjour et bienvenue. Notre mot en anglais aujourd'hui sera radio. Radio en anglais, c'est tout simplement radio. En fait, c'est exactement le même mot qu'en français, mais c'est la prononciation qui est différente. En français, in French, radio. En anglais, in English, radio, radio. Je vous invite à répéter après moi. Radio. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis bah, toute ma vie, en fait, j'écoute la radio. Mes parents écoutaient ça à la maison quand j'étais petite et j'ai toujours adoré me sentir connectée avec des gens que je ne connaissais même pas, des voix de tous les coins du monde qui racontaient plein de choses intéressantes. Et malgré le fait que maintenant on a la télévision, l'internet, le téléphone, j'écoute encore la radio tous les jours. Et pour dire j'écoute la radio tous les jours en anglais, on dit I listen to the radio every day. I listen, j'écoute, I listen. I listen to the radio. J'écoute la radio. Allez, maintenant je vous invite à répéter, où que vous soyez, I listen to the radio. I listen to the radio. I listen to the radio every day. J'écoute la radio tous les jours. Every day. Tous les jours. I listen to the radio every day. Et même si ça fait bien plus de 100 ans que la radio existe, je trouve encore que la radio est une chose vraiment magique et miraculeuse. Et ça, c'est pourquoi I listen to the radio every day. Radio, that was today's English word. Merci Jackie euh, pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa

min giɗi ɓe omta chaniji nder gendi niger fu nder sous région ɓe ɓeyda gendi ɓe ɓeyda chaniji maɓɓe sosai nden kuma ɓe omta kulɓe giɗi fayi télé ma ɓe omta min nana belɗum siriji maɓɓe inchallah min woni aboubacar abdou joɗiɗo agadas lumo lettogawo inchallah so gabas suna na garje mai askin karago a nan garin bandi ni mai sauraron gidan rediyo cidiyo kalangu a bisa da ariyar gidan rediyo ikira abin da yake burge ni wannan shirin na matasa da kuke yin shi sosai yana burge ni ana sauraron shi ina gaida audu ramman mikiyayi wanda yake garin alhaji kadau ina gaida abu kwanciya wanda yake nan garin bandi ina gaida ilu na ayyaya garin kadau sunana lawali tasu gaskiya labarin studio kalangu muna jin daɗin shi kuma babu rediyon da muke saurare kamar daga kalangu kuma muna jin daɗin shi sosai gaskiya muna jin sosai muna jin daɗi fiye da da ba mu tunani saboda gaskiya yana mana daɗi sosai sai dai kuma muna fatan Allah ƙara muku arziki kuma Allah musu ƙwarin gwiwa yin wannan abubuwa sunana ajiya rakiya garba mazamniya anguwar mayanka to yanzu abin da ya burge ni bisa cikin harkar emission inga gaskiya mun ji daɗi na studio kalangu gaskiya ra'ayinsu da suke gaskiya ya burge ni sosai ma tunda biskan harkar rayuwa na mata da na matasa ne kenan wanga abin ya kamata a karfafa shi yau ma ba ma mata ba matasan ga na zamani gaskiya ana son binkice a saman su kuma ana so sosai ma a wayan musu kai tunda yanzu in musamman in kika dauki harkar shaye-shaye yanzu yanzu yara daga shekara sha bakwai kika dauka zuwa 35 gaskiya haraka sai dai mu ce dai alhamdulillah Allah dai kare za a ci kuma sai dai addu'a amma yanzu shayi shayi yi yawa ki dauki da fannin ekwal daga fannin a cikin gari abin alhamdulillah sai dai a ce dai godiya ta tabbata ga ubangiji yara sai addu'a ni dai ina fata ga studio kalangu su kara wanga emission yin a ƙara ba shi ƙarfi a ƙara ba shi ƙarfi tunda bisan matasa ne kuma in aka ce matasa su ne garkuwar rayuwar al'umma. Sunana Basiru Rabiu. Eto eh gaskiya labaran studio Kalangu sosai muke sauraron shi kuma mun gamsu da shi ɗari bisa ɗari saboda ta bangaren shi muke samun labaran da suke zuwa suna zuwa. Eto eh a gaskiya labaran nasu babu wata jita jita labaru ne na kwarai na gaskiya da gaskiya saboda mun gamsu da shi sosai mun yarda da duk abubuwan da suke gai gaskiya ne shi ya sanya muke sauraron shi kuma muka inganta shi sosai. Ina sauraron Kalangu ta hanyar rediyon Ikirawa wannan shirin da suke na mata na wayewa kai iya birge ni inda hali a kara mai lokaci gaskiya na birge ni wannan shirin kuma kaman shirin da suke faɗin lambobin wannan nasu halla ko suna faɗin lambobi suna cewa a kiraye su ta wannan shi ma wannan iya birge ni gaskiya yana yana yana ƙayatar da ni ina gaida majar kinmu Aminu ana a Magariya ina gaida yan gidan rediyon Kitari da haɗin kai to kuma a nan bandi ina gaida Alhula hatsuma. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangou. Mais avant de se dire au revoir, notre collègue Nafisa Adam Surfo nous apporte les titres de la grande édition du soir. Brièvement, bien sûr. Nafisa, quelles sont les grandes lignes Alors, fin de l'édition d'information de 17h, vous entendrez le gouverneur de la région d'Agadez qui s'exprime sur la présence des migrants refoulés de l'Algérie à Asmaka, dans le nord Niger, après la réunion d'urgence organisée à Agadez à vendredi. Ensuite, nous irons à Gaïa pour parler des personnes du village de Tara, dont les champs sont impactés par la construction du pipeline Export Niger-Bénin. Ces personnes attendent toujours d'être dédommagées et le magazine Justice de ce journal évoquera les cas de viol enregistrés sur mineurs dans la région de Zender. Merci. <laughs> Et oui, chers auditeurs, les Hindadi Karewa, c'est la fin de cette émission Le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même, Ali Munkela Ouseni Di Seno. Abdulkader Chombiano était à la technique et Adam Adawaki à l'édition. Ciao, ciao